jeune ami de la fada Aujourd'hui dans l'émission Tous à la fada nous nous sommes installés à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdoumouni de Niamey et avec les étudiants en droit nous allons parler des défis qu'ils rencontrent mais aussi des opportunités qui s'offrent à eux. La FSJP, Faculté des sciences juridiques et politiques, est l'une des facultés qui attire beaucoup de jeunes étudiants ce qui fait qu'elle se trouve parfois confrontée à un problème des capacités d'accueil provoquées par une forte orientation des étudiants dans les filières telles que le droit. Il vous souviendra d'ailleurs en 2021, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le PhD Mahmoud Jubo, dans un entretien accordé au quotidien Le Sahel, parlait même de la fermeture de la première année de droit à l'université de Niamey. Il dit, je cite, Si la faculté des sciences juridiques et politiques ne peut pas absorber le flux, nous allons prendre la décision pour demander le transfert d'un certain nombre d'entre eux à l'université d'Ottawa selon ses capacités il faut aussi au besoin fermer la première année de droit pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire la rentrée 2022. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux? Comment ça se passe à la fac de droit? Quels sont les défis qu'ils rencontrent au cours de leurs études C'est parti pour 35 minutes d'échange de musique, de rubriques et de chroniques. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui, je suis entouré des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Tare da su a wannan maraicen zamu ji de karatun su yake tafiya, musamman ma irin matsatsin da suke fuskanta a cikin karatun nasu. Kamarar da fatan kuna lafiya. Je veux commencer avec la jeune fille qui est en face de moi. Tu te présentes et puis tu réponds. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études en droit Je me nomme Idea Aminatou, première année de droit. Et ce qui m'a motivé à faire le droit, c'est surtout une vocation que j'avais depuis mon enfance. Bonsoir à tous, moi c'est Alassane Bibi Salamatou. Je suis aussi étudiante en première année de droit. J'ai vraiment voulu faire du droit, c'est pas aujourd'hui. Et ça vient plus de quelque chose que je vois dans ma famille. J'ai des gens qui sont magistrats, qui sont dans les cours et tout. Et ça m'a toujours donné envie de faire du droit. Et après le, bac, j'ai dit hop, je vais en fac de droit. Suivant. <laughs> Euh, bonjour, nous répondons au nom du camarade Suleyman Yamba, Afan, étudiant en première année ici à la FSJP. Suleyman, qu'est-ce que le droit représente Pour moi, le droit représente le reflet de mon avenir. Vu qu'avant même d'atterrir au lycée, j'avais opté pour l'option d'être juriste. Au fait, l'option d'être un juriste, pour moi, ça représentait mon avenir. Dans un premier temps, vu que ma sœur aussi, elle a opté pour le droit. Elle se trouve aujourd'hui en master 1 et j'aimerais bien la dépasser ou sinon au moins l'égaler. À une compétition. <laughs> Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ibrahim Abdou, étudiant à l'université Abdoumouni que en première année. Moi, ce qui m'a attiré en droit, c'est d'abord le fait d'établir la justice dans ce monde, aider les autres personnes à régler leurs problèmes judiciaires. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas les dire en un seul mot. Mhm, euh, moi, c'est Maman Adam Mustafa, connu euh, sous le sobriquet de Maître Serki. Je suis le délégué général adjoint de la faculté. Ah, le délégué euh, avec nous. Voilà. <laughs> Donc vraiment, comme beaucoup l'ont dit, c'est une passion. J'ai grandi avec cet amour, j'ai grandi avec la passion de faire du droit, Et choses que je suis en train de faire. Euh, maintenant, j'attends prendre l'inscription en troisième année. Euh, c'est un rêve aussi, comme l'a bien dit Afan, qui est en train de se réaliser. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Présentez-vous et dites-nous ce qui vous a poussé à faire des études en droit. Moi, je me présente au nom de Moussia Abdelmajid, donc étudiant inscrit en première année à l'an 21-22. Moi, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est que depuis que je faisais l'école primaire, c'était aux environs de SEM 1 SEM 2 comme ça. Donc, depuis ce bas âge-là, moi, j'étais tellement excité à faire le droit. Qu'est-ce qui me motive vraiment à faire ce droit-là C'est d'apporter vraiment une justice réglementaire dans ce pays-là, d'abord dans mon pays, au Niger, et ensuite voir comment un peu l'étendre au-delà donc de mon pays. Vous l'aurez compris, ils sont apparemment tous assoiffés de justice, nos étudiants en droit. Mais alors, délégué, je, veux revenir avec vous. Mon droit, droit. Et de Moutigné droit, quelles sont les opportunités qui s'offrent à lui Parlant des opportunités, vraiment, il y a le droit, c'est une discipline qui, qui est aussi une ouverture euh, pour beaucoup de choses. Euh, vous pouvez toutefois, après euh, votre étude de droit, être magistrat, être avocat, être huissier de justice, être notaire, travailler dans l'administration, travailler avec les organismes privés. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, évoluer au niveau de, du politique, évoluer dans la société civile, défendre les intérêts de, de, tout un peuple. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de choses vraiment à tirer de ces études. La première des choses qu'il a oublié de citer, c'est que quand tu étudies un droit, tu te forges. Tu es obligé de te forger. Il y a plein de gens qui vont faire du développement personnel et tout. Mais le droit, c'est la meilleure façon. C'est seulement en faculté de droit, tu es obligé de garder ton calme parce que sinon, c'est une tempête. Et une tempête, quand il y a du feu, ça va pas du tout. Il faut se calmer, il faut être posé, être la meilleure personne possible, sinon ça va pas aller. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue je, me présente au nom de Abdou Moussa Nazir, étudiant régulièrement inscrit en L1 FSJP. Je trouve des mots à ajouter par rapport à ça, mhm. puisque un étudiant en droit, c'est-à-dire un juriste, c'est quelqu'un qu'on pense qu'il a accueilli une bonne formation et que cette formation peut lui servir. Quand vous faites le constat ces dernières années, on constate que les étudiants de la FSJP sont les, meilleurs quand on fait un concours, c'est-à-dire la police et tout là. À mhm. travers cette formation qu'ils acquièrent, ils sont toujours à la tête. Nous, les juristes, on acquiert de la faculté des droit. Qu'est-ce qu'on peut appeler juriste Un juriste, euh, c'est tout celui vraiment qui, fait des études ou qui a fait des études en droit, nous on s'appelle couramment des juristes en formation parce qu'on est toujours en train de, de, faire la formation en droit. Donc après nous allons nous appeler des juristes, des juristes même des professionnels de droit. Donc pour le moment, on est en formation, on est en train de se former. Après, nous allons l'être, Inch'Allah. Kafin mu ci gaba, bari mu jaye mu baiwa 'yan matan studio Kalangu fili tare da shirin nan nasu wanda suke cema La Rubrique Rose. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes ravis de vous retrouver encore dans cet espace rose du studio Kalangu. On se parfume bien dans notre espace beauté avec moi, Bibi. Et on mange bien avec moi, Fanta. En cuisine, on découvrira plein de façons de profiter du gingembre. Dans l'espace beauté de ce samedi, on se parfume bien, au bon endroit et de la bonne manière. À vos parfums, prêts partez. Vous devez vous assurer de connaître la concentration de votre parfum afin de savoir quelle quantité en mettre. D'une eau de toilette à une eau de parfum, la quantité à vaporiser sera un effet complètement différente. Une eau de toilette est bien moins concentrée qu'une eau de parfum, donc sa tenue risque d'être moins longue. Plus légère, vous pourrez aussi être plus généreux sur les quantités qui vous reparfumer au cours de la journée. Pour une eau de parfum, trois pulvérisations suffisent en général pour tenir toute la journée, sauf s'il s'agit de parfums très frais, genre agrumes, qui sont en général plus volatiles. Enfin, concernant les extraits de parfums, allez-y avec parcimonie. Ils sont tellement concentrés qu'une seule goutte peut suffire et peut parfois donner lieu à une fragrance faux pas. Passons à présent à notre conseil numéro 2. Ayez la main légère, mais vraiment légère, vous l'aurez compris, il est inutile de mettre des tonnes et des tonnes. Vous allez juste réussir à faire éternuer votre voisin dans le taxi sans aucune garantie que votre parfum tienne jusqu'au soir. Le parfum, c'est un petit luxe en bouteille. Alors si on peut éviter d'en gaspiller, tant mieux. Pour obtenir un maximum de magie avec un minimum de parfum, il suffit de vaporiser votre fragrance à environ 10 à 20 cm de votre peau. Et surtout, au bon endroit. Demain, dans la rubrique rose du dimanche, on verra quels sont les endroits sur le corps à privilégier pour vraiment euh, profiter de notre parfum euh, jusqu'au soir. Ah, Coucou les amis, bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques usages que l'on peut faire du gingembre en cuisine. S'il est connu dans de nombreux pays pour ses effets aphrodisiaques et aussi en médecine traditionnelle pour soulager différents maux comme les rhumatismes, la fatigue, les nausées, le rhume, les maux de tête et surtout les problèmes digestifs, le gingembre est aussi un excellent allié en cuisine. Il peut être utilisé dans les sauces, dans les thés et tisanes, mais aussi il rehausse le goût de plusieurs types de boissons. Dans les sauces, dans une sauce tomate ou sauce rouge comme on le dit par ici, le gingembre apporte un goût esquis et raffiné sans trop pimenter la sauce. Moudre un petit morceau de gingembre ou beaucoup selon la quantité de la sauce et l'ajouter pendant la friture des ingrédients au début ou carrément à la fin avant d'éteindre le fait de cuisson. Mais l'idéal selon mon expérience personnelle serait de l'ail et le gingembre dans l'huile de cuisson avant d'ajouter tout ingrédient et de procéder à la préparation normale. Cela va permettre à l'odeur et au goût du gingembre de se coller à toute la préparation. Dans l'été et tisane, vous pouvez par exemple moudre ou hacher grossièrement du gingembre et l'ajouter à votre thé déjà préparé ou encore préparer une tisane à base de gingembre spécialement. Pour cela, faites bouillir un peu de gingembre, Filtrez si vous voulez, et ajoutez un peu de jus de citron, de la cardamome et du miel. Ceci est très bien pour la gorge et les petits Et pour terminer, je partage avec vous cette recette assez populaire par ici, le jus de gingembre que vous connaissez sûrement sous le nom de lemhari. Pour cela, il vous faut du gingembre, une belle quantité selon vos besoins, de l'ananas, la peau y compris, du citron, de la menthe bien fraîche et de l'essence de vanille. C'est facultatif. Bonne dégustation! Merci Fanta pour euh, ton astuce euh, épicée et parfumée. <laughs> C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes. On se dit à demain pour encore plus d'astuces parfumées et épicées. You wow me horizontally. Nobody like me is freaking fantastic. a nous sommes de retour dans notre émission Tous à la Fada inda yau anan jami'ar abdumumuni muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in namu na yau wato matsalolin da ya ke ta ɗaliban da ke karatu a fannin shari'a ke fuskanta. Naziru kai a ganin ka muke kawo wannan yawan lattin da ake samu a fagen karatunku. Bon, ni a na abin da yake kawo waɗannan matsalolin kamar retar a faculty de droit. mu muna tunanin cewa kamar wannan eh, abu ne wanda ya danganta daga ansanyen sharshar. Paske za ka zo ka isko yanzu an yi examen yanzu sai ka isko an yi turwa muwa katamuwa sanki an sanya ya hiddo pv orke in ba wannan pv aka hiddo ba aka yi afishe kowa ya ga not in shi aka hidda pv general aka nuna maka kai valide ko baka yi valide ba kun baka iya avansi don ko mu muna cewa don ko luritar da ake rankwantare nan ga faculty de droit elle est liée aux enseignants-chercheurs. Comment enseignants-chercheurs ne ce que ta wannan Ritarken kin da Voilà Naziru. <laughs> tu veux parler Tu veux ajouter <laughs> Vas-y. Eh, merci à Studio Kalangu. Et moi, je suis Oumar Boukar Je suis étudiant en deuxième année de droit. Et ce qu'il faut dire à ce niveau, la faculté de sciences juridiques de l'Université de Mouni est est un champ de retard. Là aussi, les responsabilités sont partagées à plusieurs niveaux. à quand on revient au niveau des, enseignants-chercheurs, on constate euh, euh, leur, manque de, progressité à, pouvoir faire sortir les, notes des camarades. comme l'a dit mon camarade Ahoussa, vous constaterez avec moi que eh, des étudiants peuvent faire un examen à plus, à plus de trois mois. Les notes ne sont pas encore sorties et en plus forte raison les procès verbaux. Mhm. Donc cela aussi est dit aux fautes des enseignants-chercheurs. Il y a aussi la question des, manques des, enfants instructeurs. Donc cela aussi est dit à la responsabilité de l'État. Est-ce que vous voyez avec moi Et moi, je me rappelle lorsqu'on était en première année, on était au nombre de 1036 étudiants. Souvent, on a du mal à, être dans, un amphithéâtre de, 5, de 500 places. Vous voyez un peu voilà, le problème qui se trouve au niveau des, enfants infrastructures. Mm-hmm. Merci. Moi, point de je crois que le principal principe, hein, les difficultés qui rencontrent les étudiants, ça a, un, lien avec les étudiants eux-mêmes. Puisque le droit, ça demande beaucoup de choses. Il y a la rigueur, l'organisation et la quantité de travail qu'on demande le travail personnel. Et surtout le temps qui est court durant les examens. Et la jeune fille à côté, elle a l'air d'être très d'accord avec ce que vous dites. Rappelle-moi ton euh, nom. En fait, je, Salma. Alors il vient de dire qu'il étudie en première année et je comprends un peu ce qu'il est en train de dire gens dans une faculté, ils ont tous cité des problèmes, mais c'est pas le vrai problème en fait. Le premier problème qu'on rencontre, c'est que les gens ne s'écoutent pas dans cette faculté. Un professeur peut venir dispenser un cours et s'en aller, sans jamais vérifier est-ce que les étudiants ont compris. Il peut venir faire un examen, corriger, sans jamais se mettre à la place de l'étudiant. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de modules à, à lire, à comprendre, à bûcher si vous voulez. Mais il n'est pas possible qu'on ramène les mêmes mots de l'enseignant. On est dans une faculté et en principe, monsieur, pour vous corriger, pourquoi on appelle les facultés des facultés C'est parce que les cours sont facultatifs. Chacun peut venir au cours quand il veut. On peut se passer du cours. Mais dans cette faculté, c'est pas évident. Il faut que tu sois là au cours parce que la plupart des temps, c'est qu'on te ramène à l'examen. Des choses qui sont pas dans les modules, c'est des choses qui ont été dites en classe. Donc ça, c'est un problème que nous rencontrons. Tu dis que tu poses un problème que tu as mené en classe. On te reprend avec ce qu'il y a dans le module tu ne te mets pas à la place de l'étudiant pour comprendre qu'est-ce que lui il a compris. Tu veux qu'il te ramène les mots, mais comment est-ce que c'est possible dans une faculté où on a 10 modules à avoir de dans l'année et où on fait des examens ensemble, genre dans la même semaine, qu'est-ce qu'on va apprendre Est-ce qu'on doit se focaliser sur ce qu'on a appris en classe, sur ce qu'il y a dans les modules, ou on doit se focaliser sur notre compréhension Parce qu'on est appelé à démontrer l'innocence ou la culpabilité de quelqu'un. Si on ne comprend pas les faits de notre façon, comment est-ce qu'on est appelé à le faire C'est des difficultés que nous rencontrons. Et concernant les infrastructures de base, je me suis levée ce matin pour aller aux latrines, j'ai dû aller à l'ENES. Et c'est pas bon parce que je ne peux pas me permettre d'aller dans des latrines qui sont dégradées au risque de choper une infection, quelque chose comme ça. Ça va nuire à ma santé. Et déjà dans une faculté où tout va à la vitesse de la lumière, si je rate des cours, des examens, c'est déjà parti. C'est compliqué. Donc, il y a les infrastructures de base et il y a le problème de communication. On communique pas entre nous et ça ne peut pas aller comme ça. Merci Selma. Délégué, vous venez d'entendre vos camarades euh, faire le tour un peu de toutes les difficultés. Que vous avez autre chose à ajouter euh, Oui, ben, par rapport à ces difficultés, comme vous avez eu à l'entendre au premier niveau, mais euh, on affiche les notes plus rapidement. C'est ce qui va permettre aux années académiques vraiment de marcher à la normale. Donc, il y a aussi le problème des infrastructures, souvent comme vous avez eu à l'entendre, un camarade qui est d'ailleurs de ma section. Moi, je suis venu euh, en 2018 et je pense avoir passé trois ans en première année. Et souvent à la maison, on peut toutefois vous dire que vous avez repris d'année, mais or, c'est l'année normale même que vous êtes en train de suivre. Donc il y a aussi cette responsabilité pendant trois ans, en première année. Voilà. Vous faites une première année, vous revenez l'année prochaine faire une autre première année, vous revenez encore une année suivante. Normal, ici. oui, c'est normal. <laughs> comme vous avez eu le terme vous Appelez <laughs> vous appelez ça comment, pardon <laughs> <laughs> Ça, c'est vraiment une difficulté qu'on a rencontrée. Il y a la responsabilité des étudiants aussi. Quand vous prenez la délégation générale, euh, on doit vraiment mettre de la pression et du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de concentrer l'effort pour pouvoir faire. C'est d'amener vraiment une rigueur à notre propre niveau et au niveau même de, notre relation avec les enseignants, avec les PAT, pour qu'ensemble nous puissions travailler vraiment pour régulariser euh, l'année académique. Et pour la pause musicale, les amis. On va, on va laisser Kader choisir les étudiants en droit à l'université Abdou les opportunités et aussi les défis pour ces études. Et tout à l'heure vous venez de, de partager avec nous quelques difficultés que vous rencontrez. Mais alors quelle est la solution? Afan, de mon côté, je pense que les solutions qu'on peut apporter à cette euh, fabuleuse faculté n'est autre que les enseignants ayant passé l'âge, c'est-à-dire on peut appeler ça une sorte d'usure des enseignants, qu'ils puissent laisser la, relève à d'autres enseignants ayant plus la fraîcheur, l'aptitude et les connaissances la manière d'enseigner les jeunes de cette année et les jeunes de l'année passée n'est pas la même chose. voilà. <coughs> quelle est la solution demain à kyautata karatunku a nan washin? To mu a namu tunani matakan da ya kamata a ɗauka don saboda a samu kama amelioration kama a gyara tahiyar don karatu cikin wannan fakilitan kamar ci gaban karatu a cikin wannan mhm. fakilitan shine yan aka yi examen waɗannan an san sharshar da yake su ne responsibility ta dawo ma kama su ne ke da wannan nauyin cikin hannunsu don kamar in aka yi examen aka ida dan semenu biyu semenu uku hakan ga ya kasance cewa sun hidda not sannan kun bayan wannan kenan in za mu samu kamar constriction waɗanda za su kwantenir ɗin number ɗin hd kin da suke zuwa a faka didura laife ate ya aka kawo musu not su kuma wani reclamation wani menene a ce an yi shi cikin lokaci kalilan na saboda a samu a yi ma mutane permeter paske mu ma da muka zo ba mun zo ne ba que mu yi rayuwa nan ta dindindin mun zo ne furfase an fedi tan mu samu diplom din mu mu ma mu shiga mu shiga wasu harakoki mhm. a shiga wata rayuwa mun gode naziru Moi, ce que je propose comme solution, c'est classer de deux catégories, en deux catégories de moins. L'autre catégorie, c'est du côté des enseignants-chercheurs. Tout comme, puisque selon ce que j'ai suivi, tous les, les problèmes se résument donc du côté des enseignants-chercheurs. Les notes, les notes, encore les notes tout le monde chante les notes. Voilà, les notes, il faut savoir que d'abord, les enseignants-chercheurs, ils ne peuvent pas venir aujourd'hui s'attendre au même niveau de compréhension qu'un étudiant qui fait le master, ou bien, ou bien qu'un étudiant qui étudie déjà sa thèse de doctorat, ou bien quelque chose, ou bien jusqu'à même espérer que nous pouvons comprendre ce que eux ils attendent de nous maintenant. Du côté donc des, étudiants, donc la deuxième catégorie, c'est les étudiants. Vraiment, on doit adopter un autre comportement. C'est-à-dire, vous verrez un étudiant de la faculté des droits, il n'a aucune méthode de travail. Un étudiant de la faculté des droits, il part, il vient à la fac seulement pour l'argent de récréation ou bien seulement pour prendre le bus. Je quitte l'aéroport, je viens ici à Harobanda, j'étudie le droit. Ou bien c'est juste pour se dire, juriste dans le quartier, il faut qu'on ait une méthode de travail. aussi l'autonomie, une organisation, une motivation, une inspiration. Il faut que nous réchauffions tout cela. En tout cas, moi, ce sont les solutions que j'apporte. Merci Abdelmajid. Aminantou, vous je me permets de te contredire, Majid, parce que ce que tu viens de dire. Le là, micro. ce que tu viens de dire là, vraiment. <laughs> je ne suis pas d'accord parce que tu as dit que les étudiants doivent être beaucoup plus assidus. Comme Maître Saki l'a dit, ils viennent de passer trois ans dans une première année. Tout n'est pas régularisé ici. La base de tout, il faut tout régulariser, vraiment. Parce que vraiment, quand, si même si tu es assidu, au bout de trois ans, dans une première année, tu risques de te fatiguer quand même. Même si tu as tous les modules, tu es là, tu apprends, tu bûches, tu bûches, tu bûches, tu passes trois ans dans une première année. Vraiment, il faut revoir ça. Donc je vais essayer à mon niveau également d'ajouter à toutes ces solutions que mes camarades viennent de proposer. On a l'habitude de faire trois mois sans pour autant étudier. Moi, je suis pas de Niamey. Il a fallu que je quitte Niamey pour, pour retourner au village. Donc, du coup, j'étais déconcentré. Je n'ai pas la motivation pour continuer. Et on était encore confronté à, à, un sérieux problème, c'est-à-dire le problème qui a opposé le, gouvernement et les ingénieurs. On a été victime également de cela. Mhm. Et vous constaterez avec moi, du jour au lendemain, nous sommes là en train de nous frustrer. Je, l'ai dit tantôt, nous nous étions au nombre de 1036. Mais à la première sortie des PV, des PV généraux, il n'y avait qu'environ 30 et quelques qui ont, qui ont validé sans session. Donc vous voyez un peu un cette catastrophe. Vraiment, j'aurais aimé qu'il y ait un enseignant chercheur dans la FADA. Vous faites trop leur procès. <laughs> oui, vas-y, ça. Euh, je vois qu'il y a Afan qui disait que la, délégation fait de son mieux, les enseignants font de leur mieux, les, les infrastructures sont là. En termes d'efforts, on ne parle pas de quelqu'un fait de son mieux. On parle de quelqu'un fait ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut constater. Quand on parle de, des infrastructures de base, les latrines, aujourd'hui, on peut demander aux étudiants, même à notre section, on est 800. Banalement, on est 800. Si on demande 25 francs à chacun, ils vont donner volontairement. Et on peut réparer ces latrines-là. C'est à la délégation de faire ça. Je ne dirais pas qu'ils ne font rien. Mais franchement, ça reste à avoir. Dans une faculté où on n'a pas de lieu où s'asseoir, c'est pas que vous êtes venu ici, il y a déjà des anciens qui, s'assoient ici. On est obligé d'aller un peu partout sous les arbres pour s'asseoir. Parce que quand on va dans une amphi ou dans une salle, tout simplement, les gardiens nous disent de sortir et ne le font pas gentiment. Et c'est frustrant. On doit être en sécurité là où on étudie. Moi, je dois être en sécurité quand je sors de chez moi. Mes parents doivent se dire que, ok, elle part étudier le droit, elle est en sécurité pour le faire. Ou elle va étudier le droit, elle a ce qu'il faut pour le faire. Mais si je viens dans une faculté, je viens à 8 heures. Hier, j'ai rencontré des étudiants vers 15 heures qui étaient venus. Ils étaient assis devant l'infini place. Et ils m'ont vu, m'ont demandé, et l'examen de mondialisation Leur dit non, ça a été reporté au vendredi. Et ils étaient choqués. C'est ce que je dis, il n'y a pas de communication. Si les enseignants-chercheurs s'asseyent, les étudiants s'asseyent, je connais des écoles où on vous envoie votre emploi de temps par mail. Tout vient. Et attaque au moment, ça bouge pas, vous faites ça. Et c'est les écoles publiques. Je suis désolée, il ne faut pas me dire qu'on est dans une école publique. C'est les écoles publiques et ils arrivent à faire ça. Donc on peut le faire. Un enseignant aurait dû être là aujourd'hui. Mais apparemment, ils n'ont pas le temps. Hein. On doit s'asseoir quelque part, discuter. Non seulement la délégation, les étudiants, les enseignants-chercheurs et le gouvernement. Parce que c'est ce qu'il faut. Il faut que tout le monde s'asseye et se dise, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays Parce que le pays a déjà fait pour nous. On a une nationalité, une carte d'identité, une carte scolaire. Le pays a assez fait pour nous. C'est à nous de faire pour le pays cette fois-ci. Il y a Afan qui insiste depuis pour. J'entends, il y a pas mal de mes camarades qui parlent en rejetant la faute sur les enseignants-chercheurs et en disant que c'est à cause de leurs notes qu'ils sont un peu frustrés ou frustrés même. Je me trouve dans, ce, dans cette même euh, position, mais je pense que la faute ne se trouve pas seulement au niveau des enseignants-chercheurs. Déjà, nous, les enseignants-chercheurs, vous donnent environ 20% du cours. C'est à vous d'aller chercher les restes. Et je pense que ces restes-là, on peut les trouver auprès de nos anciens, nos grands frères, sont en master. Au fait, ici à la FSJP, la plupart des camarades que j'observe, ils sont frappés d'un syndrome qu'on appelle la timidité. Ils n'ont pas, dans un premier temps, le courage pour aller auprès de leurs anciens, leur demander de l'aide. Et parfois même, quand ils partent auprès de leurs anciens, les anciens se trouvent découragés parce que eux-mêmes, à leur niveau, ils font pas d'efforts. Donc, c'est pas étonnant si tu pars au niveau des procès verbaux, tu trouves auprès de ton nom une note assez lamentable la frustration ne dépend pas au niveau de l'enseignant. Ça dépend au niveau, ça se trouve à notre niveau. Les enseignants chercheurs n'ont pas le temps, oui, mais ils nous donnent assez pour espérer avancer dans la vie. ni ina son kara ƙara 'yan à ne farafar a bisa kan abin kamar da kine suka suka yanzu kamar wannan an sani faut qui relève de la responsabilité ta enseignant ko ta hdn ko kuma ina iya cewa ma pat abin yana iya shawo su me akwai matakin da in ana ɗauka irin wannan matakin. Ni kuna nan? mini shi kana <laughs> A kamar mutane ne na administration waɗanda 'yan ansanyan sun kawo not ɗin wurin su ake depose su suke sezi su suke afishaji tusa. kenan su ma in suna sa presion ana samu abin a dan same shi cikin lokacin da ya kamata ko ba a same shi ba daidai yadda ake so umar su dai ana samun amelioration mai kama in muka dauka kwanan baya a misali minister na enseignement superior ya yi wata nota ya ce ana son cikin lokaci kaza ya ba da lokaci ya ce cikin wannan lokacin ana son duka faculty ya zan sun ida da anar e da suke yi ana son kowace faculty ta dauki sabon inscription na nouvelle année mai da aka yi haka nan na constate ke kowace faculty ta safirishiyon an safirishiyon kenan laihin in ya kasance wurin an sanyan ne kenan dai kajinot da sama kenan dole kai ma ka kanka in ecidiyan ne kuma kaji an yi not an san sharshar shi ma kaga sun sa presiyon kenan in kai zaka canza maniyar dinka na dumar shi dinka kenan kai ne zaka kama kanka in wurin pat na dan ka da duk abin da yake responsibility ɗinka ne kai ne zaka kula da abin ka kafin wannan lokacin ya kasance cewa watan not ele respecte kenan in aka ci gaba da samun irin haka nan tunda an yi esaye an ga dumar shi din tana yi kenan mu a tunaninmu in haka na aka yi kwanci ne abin za a samu nasara kuma za a samu amelioration on va laisser le délégué parler et on clôture. <laughs> délégué, vos camarades ont parlé des solutions. Tout à l'heure, à la fin de son intervention, le délégué Nazir a rappelé euh, un peu la pression qui a été mise par euh, le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est de cette même manière si on essaye de le faire, de continuer dans ce sens, c'est chose qui va nous permettre, c'est l'unique chose, hein. je vous assure, c'est l'unique chose qui va nous permettre de sortir du gouffre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc c'est de mettre la pression au niveau du gouvernement, de mettre la pression sur les anciens chercheurs, de prendre la responsabilité, de venir dispenser les cours, de corriger les copies à temps et au PAT de faire les affiches, d'afficher les notes. Maintenant, au niveau de la... L'étudiant n'a presque pas grande responsabilité dans ce fléau l'étudiant n'a que responsabilité de pouvoir gérer sa propre question, de pouvoir évacuer son année académique. Euh, nous, aujourd'hui, quand nous avons passé trois ans en première année, ce n'est pas de notre propre gré, ce n'est pas de notre volonté de vouloir faire trois ans en première année, mais c'est ce que nous sommes euh, venus, c'est la pratique que nous avons euh, trouvée. Mais nous avons fait ainsi et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous voyez, je suis euh, bientôt inscrit en troisième année de licence. Donc c'est vraiment une chose. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, les organes sont en train de fournir d'efforts le ministère est en train de fournir l'effort. Les organes également, euh, à notre niveau, on est en train de vraiment fournir l'effort pour euh, pouvoir régulariser l'année académique. Aujourd'hui, on a une première année, la section des Nazirs, bientôt ils vont être en deuxième année et la troisième année qui va commencer. Donc à chaque niveau, aujourd'hui, on a une seule inscription et c'est chose vraiment considérable, c'est chose qui est euh, encouragée. Donc l'amélioration est, déjà en cours. Merci délégué, merci à tous. Avant de clôturer, nous allons accueillir Olivier et sa chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, vous allez bien, j'espère. Eh bien, moi, je vais bien. La radio, c'est la vie, dit-on à la Fondation Hirondelle. Tant que je fais la radio, je vis, dirais-je donc. Dans la chronique de ce soir, je vais revenir sur la victoire du MENA face à l'équipe camerounaise à prime. Ceci dans le cas du championnat d'Afrique des Nations, Chan. Sauf que cette victoire d'un but à zéro en faveur du Mena a fait mal, je dirais très mal aux Camerounais. Enfin, la plupart des Camerounais ont eu mal parce que leurs joueurs locaux ont été battus par une équipe nigérienne méconnue. Ce sentiment de déception est normal. Quand on aime son pays, on souhaite le voir gagner. Gagner et une fois encore gagner. Sauf qu'au football, le travail et la détermination forgent le destin d'un match. Soit tu passes, soit tu te fais dépasser. D'ailleurs, nous l'avons vu récemment à la Coupe du Monde Senior au Qatar. Le Cameroun fut la première nation du continent africain à défaire le Brésil, grande nation du football mondial. Mais l'objet de cette chronique, ce n'est pas de revenir sur ces réalités, c'est plutôt de relever le sentiment d'impolitesse ou un saut de manque de culture sportive qui a manqué à certains Camerounais sur les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, des commentaires insultants à l'égard du Niger, qui serait un pays ne méritant pas de gagner un match contre le Cameroun, ont fusé de partout comme si l'exclusivité d'une victoire est confiée à un pays ou à l'autre. Les réseaux sociaux amplifient nos voix. Ils ont également des éléments qui amplifient nos défauts et nos qualités. Et cet épisode nous a montré réellement ce que pensent certains Camerounais du Niger. D'ici là, bonne chance au Mena prime et surtout merci à Aruna Doula et ses gars de nous avoir fait rêver. C'est la fin de la chronique de ce soir. D'ici là, portez-vous bien, de la paix, de la lumière et surtout, allons décrocher les étoiles. Merci Olivier, les amis. Tout ça, la FADA, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions en compagnie des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdoumouni de Niamey. Kuma kamar yadda suka faɗa lalle da suke karatu a fannin shari'a suna fuskantar matsaloli kamar yawan latti samun Isaga, ajin gaba. Dalilai dai da dama kan iya hana su su gane darasi de dai sauransu. haka zalika cikin wannan shirin sun yi wa'ansu proposition na solution wanda nake fatan sun isa kun wanda ya kamata merci à tous de l'avoir suivi sai kuma gobe da Allah ya kai mana ran da zamu dawo muku da wannan shigon kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu